bâtiments sont vétustes et risquent d'être un danger public pour les malades et le personnel soignant. L'hôpital Aristide Le Dantec ne respecte plus les normes sanitaires pour une bonne administration des soins de qualité. D'où la nécessité du projet d'établissement de reconstruction de l'hôpital qui date depuis 2005. Ceci malgré la finalisation de la rédaction et de la révision du projet d'établissement de l'hôpital, selon les recommandations du ministère de la Santé et de la Banque mondiale. Ainsi, nous interpellons directement le président de la République, Makissal, qui était venu ici en 2004 lors de l'inauguration de l'unité de la cardiologie et avait promis à la population et au personnel soignant la réhabilitation de l'hôpital Aristide de Dantec. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, cette promesse tarde à se concrétiser. Pendant ce temps, l'État construit d'autres hôpitaux qui n'ont même pas de personnel et d'équipement. Mais il a fallu aussi l'avènement de la pandémie Covid-19 pour que l'État puisse, débloquer 1 000 débloquer 1000 milliards. Cela prouve une fois encore que la réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Tantec n'est pas une priorité pour le président Macky Sall. Donc, il y a un manque de volonté manifeste de l'État envers cette population très démunie. N'oublions pas que l'hôpital Aristide, Aristide Le Dantec, sa vocation a été toujours et demeure et doit rester au service des couches les plus vulnérables de la société. Ceci dit, la réhabilitation de l'hôpital demeure une extrême urgence. Nous estimons ainsi que la subvention annuelle allouée à l'hôpital est très insuffisante. Nous réclamons une subvention conséquente qui servira de relais en attendant la réalisation du projet d'établissement qui reste encore une fois la véritable solution de l'hôpital. Pour son fonctionnement, en ce moment, le plateau technique de l'hôpital ne dispose que d'un seul scanner qui est toujours en panne. L'Institut Curie reste une référence dans la lutte contre le cancer l'hôpital ne dispose même pas d'une mammographie, ce qui est grave. Il est à noter aussi une rupture récurrente des produits d'aide au diagnostic, c'est-à-dire les laboratoires, manquent de, de, réactifs, ainsi de suite. Soucieux de la situation précaire des prestataires, qui, qui sont au nombre de 543, a fait que nous avions réclamé l'audit de la masse salariale et le recrutement des prestataires diplômés dans la fonction publique pour alléger l'hôpital de sa masse salariale. Pour la COVID, le centre de traitement, notre centre de traitement épidémiologique de l'hôpital Aristide Le la, CTE, nous, avons constaté un manque de considération des autorités envers notre structure sanitaire hospitalière. Le CTE de l'hôpital Aristide Le n'a reçu que 50 000 francs. 50 millions, je m'excuse, 50 millions, là où d'autres structures de même dimension ont reçu, Dalal 250 millions, FAN, 225 millions, qui constitue encore une fois une injustice et une aberration inqualifiable quand on sait que l'essentiel des cas sociaux sont pris en charge au niveau de, l'hôpital Aristide de Dante. La couverture médicale universelle aussi nous coûte très cher, en ce moment, l'État nous doit la somme de 503 millions. Tout ceci prouve à suffisance le manque de considération de nos, autorités envers notre structure hospitalière. Pour toutes ces raisons, l'ensemble des travailleurs de l'hôpital, debout comme un seul homme, compte dérouler un plan d'action pour freiner la tentative de liquidation de notre outil de travail. J'ai été surpris quand j'ai entendu le président de la République aller à Matap, déclaré vouloir construire un nouveau hôpital avec 21 milliards. Et récemment, on a pris une convention avec le ministère des Finances pour la construction d'un nouveau hôpital, d'un nouvel hôpital à, à, Tiwawa, ce qui fait plus de 45 milliards. Au même moment, les hôpitaux qui fonctionnent, comme l'hôpital de Dantin, a une subvention très faible et qui a besoin de fonctionner correctement pour prendre en charge ces malades. Ce problème-là ce n'est pas uniquement le problème de l'hôpital de Dantec. C'est la même situation dans tous les hôpitaux du Sénégal. Allez à Djam, aujourd'hui Djam est transformé en un hôpital Covid. Alors que quand on construisait cet hôpital, avec les Saoudiens, ça fait plus de 15 ans où ça devrait démarrer. Dalal Djam est l'une des structures les plus, les plus modernes en termes de prise en charge. Aujourd'hui, au croisement Bekio, si un enfant est renversé par un scooter ou bien un djaganjai, allez voir si, si gamme le prend en charge à l'heure actuelle. C'est une extrême gravité. On prend 105 milliards, on met sur une seule maladie, en oubliant les autres. Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que les gens ne sont pas en train de se servir du secteur de la santé pour s'enrichir Je me pose cette question. À chaque fois, on achète des choses Brusquement, quand on dit il y a un problème, il y a la vague, immédiatement les gens font de l'argent. Récemment, avec les inondations, on a dit pour le franc Orsec, on a 27, 27, 27 milliards. Hein. Brusquement, comme ça. À chaque fois, ils disent qu'ils ont de l'argent. Mais pendant des années, vous demandez qu'on vous rembourse pour la semi, il tarde, il reste 2 à 3 ans, ils ne remboursent même pas. Est-ce que santé est intéressée Non, je pose des question dañ ñuy mais intéressé wu mais comme ni ma ko waxee pesum kanam Borom mokai, fajal boppam ce pays là hein? santul Sall dama mot mu leer santul douf sar, santul sec, santul John le droit à la santé dañ ko inscrire dans la constitution sénégalaise et chacun doit savoir, ils ont choisi de faire de la politique, mais la politique ne, peut pas détruire l'administration. Du yon. Et nous serons des sentinelles. Les du c'est la section de l'Antec. Fanny dans toutes les régions, Le 13 et le 14, il y aura une grève générale dans tout le pays.